mais parce que voilà yaa ngi fii et puis yow sax mën nga ko juger. man mën naa ko apprécier mën naa ko juger. voilà non c'est que sa bët dañ sew trop motax. tax quoi. <laughs> juger sa beuti dañ sew trop. Hmm, Bax na xamna sama ki nga xama nga nga sante. Wa sa be ah. Mhm. c'est vrai euh, j'ai un peu de pour toi là. <laughs> man indaale naa. <laughs> yow tam indaale nga alors euh, Fatima dañ leen tan ci siis yi nga xamni ni euh, yéen a war ci li nga xamni mom modi moo di final bi demain. Mhm. alors lan ngay denk wa Parcelles Assainies je euh, vais pour nous voter continuer voter sur qui euh, page euh, page Facebook mhm. et puis voilà sous nous en masse pour me soutenir. alors mais tu as peur un peu tu as le trac tu as peur tu as le trac et tu veux gagner demain et tu vas aller à la finale. ben c'est normal parce que c'est la première fois que je participe à mhm. élection Miss. Mhm. mais ça va demain mais am track am track <laughs> ñaari track <laughs> même pas. si. non pas. même pas xam nga pas. waxé pas. même pas. <laughs> xam nga pas. waxé pas. même pas. waxal même pas. même pas. ngay même pas. gis nga xam nga do wax ay non alors Fatima euh, en tout cas nous vous encourageons alors euh, restez travailler un peu pour la paix comment est-ce que vous pensez vous y prendre